Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozerine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org la campagne agricole s'installe progressivement et chaque jour, le taux de couverture en semis s'améliore de façon significative. C'est ce que nous retenons du bulletin de la première décade du mois de juin de la Direction des statistiques du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Au cours de cette décade, des précipitations faibles à importantes ont été observées dans plusieurs localités du pays. C'est à Gaïa qu'il a le plus plu avec 206,3 mm enregistrés en 11 jours. Pour ce qui est des semis, la couverture s'est nettement améliorée, notamment dans les régions de Dosso, Maradi et Tilaberi. Au 10 juin 2017, c'est au total 5742 villages agricoles qui ont effectué des semis partiels 2000, soit 46%, un peu comme l'année passée. Concernant la situation phytosanitaire, il y a quelques superficies investies par des chenilles sur le mille, notamment dans la région de Dosso. Il faut aussi noter la présence des rongeurs dans trois localités de la commune d'Azey à Balak, dans la région de Tawa la campagne s'installe réellement, mais pour qu'une campagne agricole réussisse, il faut la préparer. Et ça, c'est le rôle de tous les acteurs, notamment les paysans, les organisations paysannes et les structures étatiques. Le forum du studio Kalango s'intéresse aux préparatifs de cette campagne 2017 qui fait suite à la précédente présentée comme globalement satisfaisante. Mais tout de même, 1,3 million de personnes sont en crise alimentaire selon le bulletin du Bureau des affaires humanitaires au Tchad le gouvernement cherche encore à acquérir quelque chose de 43 000 tonnes de céréales pour soulager les souffrances des populations vulnérables. C'est dire qu'il faut vraiment tout un dispositif. On peut donc se demander ce qui est fait dans le cadre de l'opération vente des céréales à prix modéré pour avoir des semences et avoir de quoi manger en cette période de soudure, ce qui est fait pour faciliter l'accès des paysans aux engrais, ce qui est fait pour la mobilisation des produits phytosanitaires ainsi que des appareils de traitement, ce qui est fait aussi pour tenter de moderniser notre agriculture par la mise à disposition des tracteurs ou des charries à fraction animale. Pour répondre à ces interrogations et à bien d'autres, nos invités sont, à ma droite, M. Issa Manou de la Direction générale de l'agriculture. Bonjour et merci d'être venu. Merci beaucoup. Et Alhaj Adam Ekoy, conseiller principal du directeur général de l'ONAHA. Alhaj, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. L'ONARA, vous allez définir rapidement <laughs> l'Office national des aménagements hydro-agricoles. Merci beaucoup. Et M. Sido Isaka de la plateforme paysanne du Niger. M. Sido, merci d'être venu. Merci à vous deux. Chers invités, merci une fois de plus de nous accompagner pour cet échange, pour ces discussions autour de la, des préparatifs de la campagne agricole 2017. Je vais commencer par ma droite avec M. Manou Issa, qui est le représentant de la Direction générale de l'agriculture. À l'heure actuelle, quel est le point que vous pouvez nous faire sur euh, la campagne agricole, l'installation, si on peut le dire tout de suite L'installation de la campagne hivernale. Voilà, merci une fois de plus, M. Hamadou Mouni. Je voudrais d'abord, euh, donc, au nom du directeur général de l'agriculture vous remercier en tout cas de nous avoir accordé une belle opportunité pour nous, pour pouvoir quand même, euh, n'est-ce pas, euh, donner de l'information au grand public, n'est-ce pas, de comment l'État du Niger accompagne les producteurs agricoles du Niger. Donc, pour bien réussir, comme vous l'avez tantôt dit, la campagne agricole 2017-2018. Donc, euh, je pense bien que pour le commande mortel, c'est que une campagne, ça se prépare. Et la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est les semences. Les semences. Voilà, donc je pense bien que les producteurs, euh, tous tous azimuts, ils ont chaque fois donc vraiment le souci d'avoir des semences de qualité. C'est vrai que quand on dit semences de qualité, on ne peut pas couvrir tous les besoins du Niger, c'est énorme comme on dit, des semences de qualité. C'est pourquoi, donc, à ce point, je voudrais dire qu'il y a deux sortes de semences. les semences, donc, comme on donc, des semences de qualité, et plus maintenant, les semences locales produites par les producteurs à travers ce qu'on appelle la sélection massale. Toutes, elles sont toutes des, semences parce qu'elles produisent <laughs> des récoltes. Seulement, peut-être, c'est le potentiel de production qui diffère, n'est-ce pas, de par leur provenance. Ainsi, donc, cette année, le Niger, donc l'État du Niger, n'était pas, donc n'avait pas, donc n'a pas croisé les bras, comme le dit, il a fait un grand geste en direction de notre moyenne population agricole pour fournir à peu près 11 407 tonnes de céréales, donc euh, toutes variétés confondues, sur un besoin, un besoin annuel de 15 821 tonnes. Ce besoin-là, donc je dois préciser, que c'est les besoins, n'est-ce pas, des populations vulnérables de l'année passée, 2016. Donc toujours l'État prend en charge uniquement les besoins des populations vulnérables, qui, ne peuvent pas... avoir accès non seulement, mais aussi n'ont pas produire pour pouvoir donc faire euh, produire leurs semences locales. comme 15, 000, euh, tonnes. Oui, sur une besoin de 15, 000 à peu près une 72 Les 11 000 sont déjà, sont sur, le... terrain, ils sont en train d'être dans euh, les mains des producteurs. Dans les mains des producteurs, donc ça a été fourni donc par l'État et ses partenaires, donc les projets de développement, les ONG. Et quelles sont les zones les plus en vue dans cette situation Donc, c'est les zones, comme l'a dit, donc, de cette... Ah, parce que, dans, dans le, au Niger, parce que dans dans toutes les zones du Nigeria, il y a des villages déficitaires. Même dans les zones dites accidentaires, nous avons des villages déficitaires. Donc ça dépend seulement tout simplement. Le critère, c'est que vraiment la, la raison ou la zone soit déficitaire à plus de 50%. Donc voyez-vous, donc c'est à travers tous les territoires, ça ne concerne pas seulement Tawa, Maradi, dans n'importe quelle région, il y a D'accord. On, va prendre cet aspect semence. On va évoluer étape par étape. Voilà, c'est un premier aspect. Je vais donner la parole à Ekoy, euh, qui représente l'ONAHA. Vous aussi, vous avez. C'est une autre, c'est aussi une campagne agricole, mais vous avez deux campagnes agricoles, si je comprends bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous Avant de commencer, je vais joindre ma voix à celle de mon prédécesseur pour vous remercier de l'honneur que vous nous faites pour venir dire à nos concitoyens les dispositions que nous avons eu à prendre au niveau de l'ONA pour une bonne réussite de la campagne hivernage prochaine. Et comme vous venez de le dire, au niveau de l'ONA, euh, qui a la tutelle des aménagements hydro-agricoles, il y a deux campagnes. Une campagne saison sèche et une campagne d'hivernage généralement, nos campagnes ne sont pas totalement tributaires de la saison des pluies. Parce que nous, c'est l'irrigation. Nous apportons nos compléments d'eau à travers l'irrigation. Et la production, c'est le riz C'est le riz. En grande partie En grande partie, oui, parce qu'il y a des zones de riziculture et des zones de polyculture. Donc, par rapport à ces deux campagnes, euh, nos préoccupations sur lesquelles nous fondons nos activités diffèrent un tout petit peu. Parce que pour la campagne d'hivernage, en plus des autres activités que nous menons, euh, nous devrons sécuriser les périmètres et les protéger contre les inondations. Et ça, je crois que c'est un aspect très important quand on parle de réussite d'une campagne. Donc c'est pour cela que, au niveau de l'UNA, je peux dire que les préparatifs que nous avons eu à mener pour euh, euh, réaliser la campagne SH, 2017. Hmm. Saison, hivernale. Saison hivernale 2017. Nous mettrons l'accent sur ça. Être, ouais, bon, peut être en tout cas euh, en deux grandes parties. Il y a les interventions directes de l'ONAHA hmm, et aussi l'appui que l'ONAHA apporte aux organisations paysannes pour mettre en valeur ces périmètres-là. Parce que vous savez, nous avons la tutelle des périmètres, mais ce n'est pas l'ONAHA qui les exploitent directement. Ces périmètres sont exploités à travers des organisations paysannes. Donc il y a des interventions directes de l'ONAHA et il y a les appuis que l'ONAHA apporte à ces organisations paysannes pour bien conduire et réussir les campagnes. Donc pour la campagne hivernale 2017, SH 2017, SH 2017, euh, nous avons hein, le premier souci par rapport à l'intervention directe de l'UNAHA, c'est d'assurer le fonctionnement normal du système d'irrigation. Fonctionnement, oui. Parce que je vous ai dit qu'on n'est pas totalement tributaire de la saison, ça veut dire que nous devons procéder à l'irrigation. Donc assurer ce fonctionnement, le fonctionnement normal. Et pour cela, nous avons une brigade qui est déjà à pied d'œuvre parce que le, programme a commencé déjà chez nous, qui est déjà un peu d'œuvre et qui est en train euh, de réviser les, stations de pompage. Parce que quand on dit l'irrigation, il faut avoir des moyens d'exor. donc à la fin de chaque campagne, avant le démarrage de la prochaine, nous procédons à la révision donc, de toutes les pompes qui ont servi à réaliser la campagne précédente. C'est des mesures préventives pour éviter des pannes. Donc actuellement, par rapport à ça, la brigade est déjà à pied d'œuvre. Pour ce qui concerne euh, le réseau, euh, nous avons aussi une autre brigade qu'on appelle la brigade d'entretien réseau, qui est en train de répertorier en tout cas tous les petits problèmes qu'il y a eu sur le réseau. Parce que quand il y a des petits problèmes et qu'on ne les résout pas, ça risque de devenir de gros problèmes. Et maintenant, à la fin, euh, c'est tous ces petits problèmes-là vont être en tout cas résolus dans le cadre de la maintenance des périmètres. On peut aussi parler des semences, non Oui, on peut parler des semences, euh, mais ça rentre dans l'appui que nous apportons aux paysans. Mm. Bon. Au niveau de, des aménagements hydro-agricoles, les périmètres sont dotés de ce qu'on appelle les fonds de roulement. Donc c'est à partir de ce fonds de roulement qu'ils se procurent, en tout cas, tous les moyens, tous les entrants de production, dont notamment euh, les semences. Et, les producteurs en trouvent en suffisance Les producteurs en trouvent en suffisance parce qu'il y a des organisations qui font que, à l'intérieur de chaque périmètre, vous avez ce que nous appelons des paysans multiplicateurs de semences. Et c'est à partir de. ces paysans s'approvisionnent à partir d'une ferme et au niveau de, ces paysans multiplicateurs, ils font la multiplication des semences pour les autres, pour les autres Donc, en principe, il ne se pose pas de problème de disponibilité Bon, le problème de disponibilité ne se pose pas. Mais euh, comme l'a souligné mon prédécesseur, quand on parle de semences, il faudrait essayer d'être très prudent. À un certain niveau, on peut parler de semences de bonne qualité, mais euh, qui n'ont pas suivi en tout cas les textes et les contrôles, tous les contrôles qu'il faut. Mais quand même, euh, c'est des semences c'est là la difficulté. C'est peut-être là un peu la difficulté. Monsieur euh, Sido, vous qui représentez la plateforme, en tout cas euh, sur les deux interventions, vous avez certainement beaucoup de choses à dire. On va commencer par la campagne agricole. Je veux parler des céréales. Hein. Mhm. L'intervention de Manu, qui parlait de 11 400 tonnes, de 15 000 tonnes qui étaient recherchées. 11 000 ont été distribuées. Quelle est la situation que vous avez à l'heure actuelle Est-ce que euh, effectivement il y a la disponibilité sur le terrain Vous savez, la question de disponibilité, elle est relative. Hein. si vous avez suivi le, mode de calcul, on parle de, vulnérables. C'est sur la base des vulnérables que le calcul a été fait. Au Niger, quand on prend le producteur lambda, qui est vulnérable, qui ne l'est pas surtout par rapport à cette question sensible de semences. semences. C'est important. Et le, tonnage donné, 15, 821 tonnes. 15 000 demandées. Tonnes, ça c'est demandé. Oui. Même au cas où tout, l'intégralité de ce tonnage est disponible. est disponible, ça ne couvre pas les besoins du producteur nigérien. À plus forte raison, il y a euh, à l'intérieur, on a calculé des vulnérables et des non-vulnérables. Euh, Quelle proportion question de, la couverture, pourquoi la, vous que ça ne couvre pas ça ne couvre pas en ce sens que, vous voyez, il y a certes des, des, des maisons du paysan, il y a des, des au niveau des, des, communes, de certaines communes, où euh, ces stocks ont été mis en place ou continuent d'être mis en place. C'est au niveau des communes. Mais quand vous prenez la question d'accessibilité, premier élément. Et même cette question de disponibilité. Parce que quand vous prenez une commune dont le besoin réel, qu'il soit vulnérable ou pas, ces chiffre à 500 tonnes. À, 500 tonnes. On amène 50 euh, tonnes. Parce que si vous faites le, le ratio, c'est sûr que ça ne dépasse pas les 50 tonnes maximum. Alors, il y a des problèmes et surtout que la question d'accessibilité de, d'accessibilité ne se résume pas seulement en termes de, disponibilité financière chez le paysan. C'est vrai que ça fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. Des fois, il y a les questions de distance. Des fois, il y a des questions même oui, de distance. prenons juste une localité, un village X qui a besoin de 60 tonnes de, semences. Voilà. Prenons par exemple. Quelles sont les difficultés qui se posent quand le gouvernement dit Bon, voilà, j'ai la disponibilité. Pourquoi ce village ne peut pas avoir peut-être cette semence Je vais vous prendre euh, un exemple concret. Je prends par exemple ma commune, Golé. C'est une commune euh, de la région de Dosso. Alors si un des villages les plus loin de, de, de, fait un peu plus de 100 km, ah, si on fait le stock là-bas, c'est dire que tous les villages qui sont dans un rayon de 60 à plus de 60 km là sont exclus. Et surtout que pour cette commune dont je parle aujourd'hui, le stock disponible, si on veut satisfaire tous ceux qui sont dans un rayon de 10-15 km, là, ça ne leur suffit pas. Bon, peut-être que le, M. Manou va répondre. Hein, la, question, on peut avoir le tonnage nécessaire, mais ça peut ne pas être disponible. La question d'accessibilité, comment ça se pose quand même, le gouvernement a les moyens, vous prévoyez les moyens en conséquence et vous amenez au niveau du producteur voilà, donc euh, je voudrais, merci beaucoup. il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de contradiction dans ce qu'on est en train de dire. Et je dis bien que les besoins dont je viens de, cas de dire, c'est un besoin exprimé à partir des populations vulnérables de l'année 2016. Le besoin tout, tout des semences. Je dis bien que même les producteurs eux-mêmes, avec leur production locale, ne peuvent pas couvrir tous leurs besoins. Mm. Euh, on n'a pas besoin de parler ici de l'accessibilité. Ce qui tout ce qui a été dit ici, c'est que de disponible et d'accessible. Parce que tout ce qui a été ici acheté, c'est jusqu'au site de distribution. L'accompagnement est jusqu'au site de distribution. Je peux être d'accord sur une, question comme quoi, est-ce que ce qu'on remet au producteur individuellement, est-ce que ça le suffit Il ne s'agit pas de ça. Pour nous, quand on remet un kilo des variétés de semences, donc des variétés de qualité, ça lui permettra, n'est-ce pas, de euh, découvrir, elle, le pain de terre, qui lui permettra de booster sa production pour l'année en cours. Voyez-vous Donc c'est ça que c'est. Donc c'est pour pouvoir l'aider donc à, voilà, c'est pour pouvoir donc l'améliorer, à améliorer sa production. Donc ici, il ne s'agit pas de, de, de, couvrir tous les besoins des semences, n'est-ce pas, de, de notre pays. Non, non, mais de cibler une population qui est vulnérable, qui ne peut pas avoir accès, qui ne peut, même si, même s'il a disponibilité, elle n'a pas, accès parce que non seulement il y a la question des distances, il y a la question des finances. C'est le gouvernement qui doit résoudre cela, non Oui, c'est le gouvernement. il l'a fait. bien sûr, il l'a fait parce que j'ai dit que quand on achète une tonne de semences pour une population donnée, c'est jusqu'au site, jusqu'au village de distribution. Je pense que quand on te remet dans ta main, je pense que l'État a déjà fait ce qu'il doit faire. L'État même ne peut pas assurer totalement les besoins de semences d'une commune. C'est beaucoup, c'est énorme, je vous dis. Mais seulement, quand on dit semences, il faut avoir semences de qualité qui permet maintenant de booster, en tout cas, sur la superficie emblavée, la production. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Mais c'est ça, euh, 15 000 tonnes qui est demandé, 11 000, mais le, gouvernement. pour cette année, oui. 686 454 euh, ménages qui sont concernés par les. Euh, les 11 000. voilà. Donc c'est à eux qu'on a distribué ces semences-là, mm. ces ménages-là. C'est suffisant les 600 000, Ça suffit aux, 600 000 ménages Moi, je pense qu'on ne doit pas polémiquer sur ça. 600 hein. 000 ménages sur combien de, ménage agricole au Niger, je crois qu'on n'a pas besoin de, se poser des questions s'il s'agit de booster la production. Ça ne suffit pas. C'est clair que ça ne suffit pas. Même pour quelqu'un qui connaît le Niger, on dit, bon, combien de ménages sur les, près de 17 millions d'âmes que nous avons, on prend 600 600 combien, s'il vous plaît Je dis bien que c'est 686 ménages qui sont concernés par les quantités dont je viens de nous donc, euh, cela veut dire qu'en termes de besoin, bon, le besoin est là, il est là, il n'est pas entièrement satisfait. Mais il y a eu des efforts Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. C'est vrai que le gouvernement fait l'étape, mais au niveau des producteurs aussi, les structures organisées continuent dans la mesure de, de, leurs moyens, aussi de faire quelque chose. Mais c'est clair que ce que l'État donne ne, ne, suffit pas. Alors, il y, a, il y, a, cet autre aspect que je voudrais quand même mettre en relation avec euh, cette histoire de semences. Pour quelqu'un qui a faim, il y a, il y a, deux aspects quand même. Il y a la semence, il y a aussi le manger. Il faut quand même le minimum pour pouvoir faire le travail sur ce point-là. Euh, peut-être je veux commencer avec euh, Ekoué. Est-ce que vous avez quelque chose à dire euh? bon, Enfin, j'ai voulu réagir. Oui, sur la disponibilité par à la disponibilité, pour dire que, bon, moi, je ne sais pas si la vocation de l'État, c'est de servir tout le monde en semence. Je pense L'État soulage. L'État doit essayer de soulager. Et je crois qu'en plus de, de la quantité que le représentant de l'agriculture a dû donner, il y a d'autres programmes qui sont dans les régions, qui sont dans les communes et qui assistent aussi les paysans par rapport aux semences. Donc moi, je ne pense pas que la quantité qui vient de, donner, c'est vraiment la quantité qui est partie au niveau des paysans comme appui mhm. par l'État et les autres partenaires. C'est pour cela que je ne voulais pas qu'on focalise vraiment le débat sur cette quantité-là. Voilà ce que l'État a fait on peut dire que c'est peu ou c'est bon, c'est des normes de calcul. Et, par rapport à ça, moi, je ne pense pas qu'on doit essayer de, tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que si on prend même sur les aménagements hydrauliques, si c'est l'État qui doit fournir, c'est un besoin de 381 tonnes. Et les aménagements hydrauliques ne font que 40, 381 tonnes pour le riz qui ne fait que 9, 9000 hectares. 9000 hectares, tout simplement. Donc voyez-vous, la prétention n'est pas, moi de mon point de vue, hein, la prétention n'est pas de dire euh, tous les Nigériens qui font l'agriculture de leur donner, mais il y a des gens que pour lesquels l'État peut apporter des, des soutiens pour, euh, pouvoir. Euh, mais Monsieur Isaac Sido, pour passer à ce point-là, vous allez quand même, Monsieur Eko est intervenu par rapport aux aménagements hydro-agricoles. Il a parlé de la sécurisation des périmètres et qu'actuellement c'est la brigade qui a pied d'œuvre peut-être mot sur ces aspect Le mot que nous avons à dire à ce niveau, hein, c'est vrai que c'est sur les aménagements hydro-agricoles, les saisons en théorie, saison sèche ou saison de pluie, il n'y a pas un grand enjeu, mais nous, en tant que producteurs, on sent quand même l'enjeu. Quand c'est en saison de pluie, aujourd'hui, vous savez tout ce que les eaux, euh, les protections, les digues de protection et tout ça subissent en termes de pression ou de dégradation face aux, eaux d'écoulement. Rien que ce matin, on a, on a eu des, cas comme ça, des digues qui sont en construction. Avec les grosses pluies de Niamey, euh, voilà, de mm. de Niamey, des digues qui sont en construction. Des fois, c'est les communautés elles-mêmes qui, face aux menaces des eaux d'écoulement, cassent pour permettre à l'eau de passer. Donc, c'est des problèmes. Il y a l'apport de l'ONAHA, qu'est-ce que vous en pensez L'apport de l'ONAHA, euh, c'est vrai que l'ONAHA fait de son mieux, mais l'ONAHA lui-même, nous, nous pensons que l'ONAHA doit être accompagné. Doit être accompagné en termes de moyens. surtout en termes de moyens pour pouvoir jouer son rôle. Quand vous prenez euh, l'ensemble des aménagements hydro-agricoles, les digues de production sont nécessaires en saison de pluie. Quand vous prenez la saison sèche, deux fois, c'est cette question de pompage-là qui causent problème. Comment ça se gère avec la Nigélec et tout ça C'est des problèmes et ça présente des enjeux majeurs pour les producteurs. N'est-ce pas fois, ça engendre des, pertes énormes auprès de qui le producteur va se plaindre. On a eu à des moments euh, à poser le problème. Il y a eu des débuts de, enfin, des tentatives de solutions. Mais bon, c'est vrai qu'il y a euh, du jour au lendemain des améliorations. Mais il reste encore vraiment de gros efforts à faire à ce niveau-là. D'accord. Nous allons euh, illustrer un peu la réalité sur le terrain. Et pour cela, nous allons partir dans la région de Tilabiri. La campagne agricole 2016 n'était pas bonne là-bas. Ce sont plus de 700 villages qui ont été déclarés déficitaires. Face à cette situation et pour assurer une bonne campagne agricole 2017-2018, plusieurs mesures d'accompagnement ont été prises par la direction régionale de l'agriculture de Tilaberi. Je vous propose de suivre les explications du directeur régional de l'agriculture, Zakaria Ossedou, dans des propos recueillis par notre correspondant là-bas, Abdoulaye Mamoudou. C'était en, mi-mai. Par rapport à la campagne proprement dite, on a élaboré un programme avec tous les besoins pour accompagner cette population déficitaire qu'on a envoyée au niveau de la Direction générale de l'agriculture. Le programme contient d'abord la situation de dispositif d'encadrement, parce que qui dit accompagnement dit le dispositif. Donc euh, pour la région de Tilaberi, nous avons en gros 2000 villages et une capacité de couverture de 102%. Donc euh, il faut le rappeler, nous avons un certain nombre de districts agricoles qui sont vacants, notamment pour la région de Tilaberi, nous avons jusqu'à 18 et la moyenne d'encadrement elle est de 17 villages par agent. Dans le cadre aussi des besoins, on a fait une estimation pour l'ensemble de ces 713 villages déficitaires à 1000 sorgho nyebi. C'est ainsi pour l'ensemble de ces populations, comme je l'ai dit ici haut, pour une population de 1 118 000, nous avons 159 835 ménages que nous considérons des ménages vulnérables. Le besoin à même pour accompagner ces villages dans la prochaine production, nous avons fait une estimation de 1598 tonnes de semences de mil pour 799 tonnes du sorgho et pour le niébé, nous avons 1598 tonnes. Ce qui fait en moyenne pour chaque ménage que nous considérons de cette personne devrait bénéficier d'un kit de 10 kg de mil, 5 kg de sorgho et 10 kg de niébé. Maintenant, qui dit aussi semence, il faut l'accompagner des engrais. Nous avons urée, NPK, IDAP, nous avons un besoin global de 2550 tonnes pour l'ensemble de la région. Pour les pesticides, nous avons aussi estimé le besoin à 25 000 litres pour le ECILV. Les herbicides, nous avons pour un besoin minimum de 800 litres qu'on a estimé. Il y a les raticides et les autres fongicides que nous attendons incessamment à partir de la Kéma. Voilà le directeur régional de l'agriculture, Zakaria Ossédou, de Tilaberi, sur les préparatifs de la campagne agricole 2017-2018. Apparemment, il y, a, beaucoup de besoins, beaucoup d'attentes. Est-ce que nous avons parlé de semences Quels sont les autres aspects sur lesquels vous avez appuyé les régions Effectivement, comme l'a dit euh, M. Zakaria, donc, euh, il y a aussi les besoins, disons, en engrais. En fait, je voudrais aussi dire un mot avant <laughs> de continuer que le Niger, comme l'a vu l'autre là, ne peut pas tout euh, couvrir. Hein. Les besoins sont énormes, ça il faut le, il faut le, savoir. Donc, euh, pour cette campagne 2017, n'est-ce pas, 2018, nous avons déjà prédisposé, prédisposé 7691 d'engrais. Donc, euh, les engrais. Les engrais. Au niveau des régions. L'utilité des engrais, c'est. Voilà, donc c'est l'accompagnement, effectivement, c'est pour pouvoir donc vraiment, n'est-ce pas, donner des éléments fertilisants à nos produits. 7000 tonnes. 7000 tonnes, 7691 tonnes. Pour tout, le, pour tout le pays. Pour tout le prédisposé, j'ai dit bien. Sinon, et les besoins tout exprimés n'est-ce pas, en tenant compte de certains critères, hein, parce ne peut tout couvrir. Hein. Donc, c'est 40 000 tonnes normalement est l'État vrais et mettre à disposition des, producteurs. Donc pour l'instant, des dispositions ont été prises, n'est-ce pas, pour pouvoir donc euh, n'est-ce pas, euh, pouvoir donc aller vers euh, le besoin ou vers le, le Il reste un besoin de 33 000 tonnes. Voilà, ça reste, il reste beaucoup. Il <laughs> reste beaucoup. Ça reste beaucoup, effectivement, mais ça est sûr et certain que l'État est en train de prendre disposition pour pouvoir mettre à disposition des producteurs. Déjà, les 7 000 tonnes, c'est déjà bien pour commencer parce que les besoins de culture, n'est-ce pas, sont définis en fonction de leur période. Donc, euh, déjà, ce qui est disponible est déjà suffisant pour pouvoir donc commencer à couvrir les besoins réels. Merci pour ces précisions. Monsieur Kouy. Au niveau, des aménagements, oui. nous avons estimé les besoins pour la campagne hivernale en engrais à 5800 tonnes. Bon, à ce niveau, nous, au niveau des aménagements, les difficultés que les paysans rencontrent, c'est l'accessibilité. Des fois, même si, euh, comme j'ai eu à vous le dire, les aménagements ont des fonds de roulement avec lesquels ils achètent l'engrais, ils le récupèrent. Pour la prochaine campagne, ils achètent, ils le récupèrent même si ce fonds de roulement-là existe, il y a des situations dans lesquelles la disponibilité de l'engrais devient euh, un problème. c'est pour cela que euh, nous, nous en appelons à ce que euh, la, CAIMA, qui a en charge cette activité de... Vous, êtes en relation avec l'État et puis par devers la, la CAIMA. Oui, parce que Aujourd'hui, l'engrais est fourni par la caïma, mais pas, exclusivement. Il y a aussi des commerçants qui fournissent aussi des engrais. Mais euh, euh, nous aimerions que cet engrais-là soit disponible. Parce que quand il s'agit, par exemple, d'assistance, on amène jusqu'au niveau du, producteur. mais concrètement, quel est le dispositif que vous avez mis en place en dehors des appels Ce que nous avons eu à faire, c'est d'abord appuyer les paysans à récupérer tous ces fonds-là. Et aujourd'hui, sur le plan de la récupération de fonds, on n'a pratiquement pas de problème. Hmm. Est-ce qu'il s'agit maintenant de récupérer les fonds en termes de chiffres Qu'est-ce que ça, ça les, représente En tout cas, sur la plupart des aménagements, sur les 98%, le recouvrement se fait aujourd'hui à 100%. Et qui cela du coup les. qui, oui, c'est ce qui est une très bonne chose parce que dans le temps, le recouvrement tournait autour de 45-50%. C'est-à-dire, les paysans ont la capacité aujourd'hui d'acheter leur engrais avec le recouvrement qui se fait correctement. Bon, peut-être dire la capacité, c'est un peu trop dire, mais quand vous récupérez le fonds, ça veut dire que vous êtes en mesure, en tout cas, d'acheter l'engrais euh, comme vous l'avez acheté la campagne précédente. et mm. quand vous, même si c'est un prêt, quand vous récupérez, vous êtes dans la capacité de, rembourser. et de pouvoir contracter encore d'autres prêts. Voyez-vous mais aujourd'hui, le problème qui se pose et par rapport auquel les paysans se, plaignent, c'est vraiment où trouver l'engrais. Et surtout, et surtout, de l'engrais de bonne qualité. La disponibilité de l'engrais. Parce que nous avons constaté que l'engrais qui vient des autres sources qui ne soient pas la caïma, des fois ne sont pas des engrais de bonne qualité. Il faudrait essayer vraiment, soit par un système, moi je ne sais pas, de contrôle ou quelque chose comme ça, essayer de certifier ces engrais-là. Vous, faites euh, ces propositions quand même C'est des propositions que nous, nous, faisons et aujourd'hui on a identifié des, des, institutions qui, avant la commande de l'engrais, vous pouvez prendre des échantillons amener au niveau de ces institutions-là qui peuvent en tout cas euh, vous dire la qualité de ces engrais-là. C'est donc de la plateforme euh, paysanne. Euh, la disponibilité de l'engrais. Pour euh, les autres céréales, ça c'est un problème réel puisque avec l'état du, il reste 30 000 pratiquement 33 000 tonnes à combler. 7 000 sont disponibles. Je crois que c'est presque. Le problème est réel là-bas. Hein. Euh, il a dit la disponibilité, même au niveau des aménagements hydro-agricoles, qui sont derrière les plus gros consommateurs en matière d'engrais. Parce que c'est là-bas où si vous n'avez pas d'engrais, il <laughs> ne faut pas vous attendre à quelque chose. Et c'est ce qui fait que, au niveau du recouvrement dont il a parlé, là, les producteurs ne hésitent pas là-dessus. Vraiment. Parce qu'ils ont bien compris que si on n'a pas les moyens financiers pour acheter l'engrais, on n'a pas cet engrais-là. Et donc, il ne faut pas que eux, en tant que premiers bénéficiaires de cette question d'engrais, soit à la base d'un problème de blocage quelconque. Donc là, il n'y a pas de problème. Au niveau de la plateforme, c'est euh, la FUCOPRI, la Fédération des coopératives euh, la qui, qui gère tout ça. Et par année, ils font d'importantes commandes en termes d'engrais. Il a souligné également, nous avons ce souci de qualité. C'est vrai que sur le marché, on trouve du n'importe quoi. Et chaque matin, chaque jour, ces commerçants-là, chacun vient nous proposer ses services. Alors si au niveau institutionnel, il n'y a pas un dispositif qui coiffe tout ça et qui protège le producteur contre euh, ces contrefaçons d'engrais, ça cause problème. Vous, vous quittez euh, c'est la plateforme, vous regroupez pas mal d'organisations paysannes. Sur quoi vous vous insistez justement Puisque la question de l'engrais est réelle quand même. Oui, et le réel, c'est ça dont on parle, c'est ce, contrôle-là. Et aujourd'hui, il n'y a qu'au niveau de la caïma, vraiment, euh, qu'on peut s'agir. que, ah, on pense que si ça vient de la caïma, c'est sûr qu'il n'y a pas de. C'est vrai qu'avec avec euh, des institutions partenaires comme l'INRAN et, tout ça, là, on essaie autant que faire se peut de voir un peu, de contrôler ces qualités-là. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, 15-15, est-ce que c'est pas du 2-15, est-ce que c'est pas du 3, des choses comme ça. Mm-hmm. Ça, quand même, euh, on essaie de le faire, mais comprenez que euh, nous sommes euh, des paysans, nous avons des besoins souvent pressants, et alors si la voie officielle qui nous permet d'avoir des engrais de qualité tarde, on se rabat sur le marché. Mm-hmm. donc vous interpellez surtout <laughs> l'État. <laughs> Ça cause problème. vous Vraiment, c'est une interpellation. Euh, sérieuse pour dire à l'État les questions d'engrais, les questions de semences, particulièrement pour euh, les aménagements ah, agricoles. Sincèrement, les questions d'engrais, ça nous tient à cœur. C'est extrêmement important. Monsieur Manou, vous avez entendu Vous avez une euh, réponse à cette préoccupation En fait, j'allais dire un mot avant de boucler ce, cette thématique. C'est pour dire qu'on a parlé du besoin. Le besoin, là, je vous ai dit qu'il est énorme, très énorme. C'est pourquoi hein, tout en ayant euh, à la tout en connaissant qu'on ne peut pas couvrir tout, qu'au niveau de la direction générale de l'agriculture, n'est-ce pas, nous apprenons aux producteurs, n'est-ce pas, l'utilisation des engrais, ce qu'on appelle organiques, à travers le compostage. Donc, c'est une technique qui est vulgarisée pour pouvoir donc faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas même avoir accès à cet engrais-là, soit par la distance, soit par le, euh, comment on appelle ça, soit pour une question financière, donc qu'ils puissent maintenant disposer de l'engrais de qualité parce que l'engrais organique, c'est l'engrais de qualité. Voyez, donc c'est un peu ça l'accompagnement que l'État fait. Donc euh, vraiment, partout au Niger, nous avons des, des, un quand même euh, qui couvrent tout le pays. Et partout, ces techniques-là sont en tout cas vulgarisées auprès des producteurs pour pouvoir vraiment faire l'accompagnement nécessaire. Tout en à l'esprit que le besoin des jeunes de Bouquin, ce n'est plus pour, pour, pour couvrir 200 000 tonnes d'hectares. 200 000 hectares n'est-ce pas, les, les, les 40 000 tonnes, même s'ils sont disponibles. Et voyez-vous, au Niger, c'est des millions d'hectares que nous cultivons. Donc maintenant, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas tout notre sol qui a besoin encore d'engrais. Il y a certains sols qui n'ont pas besoin d'engrais, n'est-ce pas, pour produire. Et je serais étonné de dire que. savent, ça oui, bien sûr, les producteurs le savent. Et je serais étonné de dire que, euh, comme vous venez de la région d'Ifa, n'est-ce pas, de la Comadougou, la Cameroun n'a pas besoin, surtout pour les productions de, céréales comme le, le maïs, les Cameroun n'a pas besoin d'engrais minéraux pour produire. Donc vraiment, c'est pour vous dire que le besoin là, il est aussi localisé. Donc voilà pourquoi euh, la présence que je voudrais apporter pour dire que ne euh, s'agit pas de couvrir tous les besoins. <laughs> Euh, monsieur Kouy, Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que l'ONAHA a vraiment bien préparé cette campagne SH dont vous parlez Bon. En dehors de ce que vous avez dit, euh, Oui, en dehors de ce que euh, on vient de dire, c'est que euh, nous, nous pensons quand même que si nous arrivons à faire correct, fonctionner correctement tout le système d'irrigation sur un périmètre, si nous arrivons à protéger les périmètres contre les inondations, et là j'ouvre une parenthèse pour dire que Dieu merci, avec le partenariat ONAHA, projet de gestion des risques et catastrophes, nous avons, l'ONAHA été doté d'un important lot de matériel qui peut nous permettre en tout cas d'intervenir à chaque instant. Est-ce que vous avez pu vérifier avec ces, grosses pluies de Niamey euh, Bon, c'est parce que euh, au niveau de chaque périmètre, nous avons des directeurs de périmètre. Je suis persuadé que s'il y a eu des inondations sur un périmètre, notre DG doit être actuellement informé pendant que moi je suis là. Ça, c'est j'ai la pour certitude. Le moment, pas d'informations. Pour le moment, bon, n'ai euh, j'ai pas été euh, à chose. Je préparais cette rencontre là, euh, ce débat là. Donc je n'ai pas encore cette information. Mais ce qui est sûr, si un périmètre a été une de suite au plus d'hier nuit, je vous assure que la direction doit être actuellement au courant et, qu'elle est en train de prendre, des dispositions pour intervenir. Isaka vous avez des informations sur la sécurisation euh, avec les grosses pluies là Est-ce que réellement euh, vous pas, êtes dans la ligne de la Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais tout à l'heure je vous ai parlé d'un cas. C'est vraiment un, c'est un cas sans aucune prétention de dire qu'on a la situation de cette pluie. Hein. Mais je sais qu'à Saga, il y a eu les, les, digues qui sont en construction. Mais la réalisation de ces digues-là, c'est entre le fleuve et le village. Mais il se trouve que le, quartier de Saga, ce n'est pas forcément les eaux du, du, fleuve qui l'inondent, c'est les eaux qui viennent du plateau qui se déversent dans le fleuve. Alors quand on a barré, cela veut dire que c'est la ville qui est inondée. Alors, quand la population a senti les menaces, qu'est-ce qu'ils ont fait Mais ils ont cassé pour permettre à l'eau de passer. C'est des préoccupations. C'est des préoccupations. Peut-être qu'ailleurs, c'est des cas similaires ou autre chose. Donc, l'un dans l'autre, c'est des problèmes qu'il faut gérer et il faut peut-être avoir un dispositif en place pour pouvoir gérer des cas comme ça. Est-ce que... le dispositif est là, comme il voilà, ça c'est... Le dispositif est là Bon, moi je ne le sais pas. Le dispositif, c'est qu'on a fait des digues pour protéger des, des, des aménagements. Mais si ces, ces digues-là mettent en danger la population, ça cause problème là. Est-ce qu'il faut protéger les gens au détriment, euh, euh, les champs au détriment des communautés Ça, c'est un point d'interrogation. Donc peut-être qu'il y a d'autres cas comme ça, je ne le sais pas. D'accord. Monsieur Manou, on va essayer de faire un dernier tour pour conclure. Et puis voilà, mm. euh, on a parlé des semences, des engrais et bien d'autres dispositions hein, dont on n'a pas parlé. Mais en gros, vous pensez que vraiment la campagne agricole a été bien préparée et que euh, les paysans sont vraiment soulagés oui, bien sûr. Hein. Tu sais, euh, monsieur comme je l'ai dit tantôt. En tout cas, quand on prend les engrais, quand même, il y a un fossé. Les engrais, mais aussi, il faut euh, parler des produits phytosanitaires. Hein. il y a les produits phytosanitaires qui sont aussi, en tout cas, des, sont très sensibles au niveau des, producteurs. Nous avons prévu exactement, donc, vraiment l'accompagnement à travers 56 098 litres des pesticides qui sont déjà aussi disponibles et donc euh, au niveau du, terrain de toutes les régions, plus 405 euh, 000 sachets de fongicides pour l'accompagnement des, semences. Donc tout ceci là, n'est-ce pas, pour donc, euh, n'est-ce pas, l'État est présent. L'État est présent, il était vraiment présent et, ça, nous avons une capacité d'intervention en matière de ce phytosanitaires de 64 000 hectares. Donc pour commencer, hein, parce que le besoin, comme je l'ai dit, il est énorme. L'État au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Donc vraiment, on met à la disponibilité, n'est-ce pas, ces, produits qui sont très utiles dans l'accompagnement pour une campagne agricole réussie. L'autre aspect, j'ai pour terminer, c'est c'est dire que l'État vraiment, pour ce qui est l'essentiel, l'État est partout présent il est présent en semences, en matière de semences, il est présent en matière de produits phytosanitaires, il est présent en matière d'accompagnement des engrais, il est, présent maintenant en, en matière d'encadrement technique, parce que c'est ça qui est, le point le plus important qu'on n'a pas abordé. C'est l'État qui est présent partout, pour, euh, dans chaque commune, comment c'est l'État un agent d'agriculture, n'est-ce pas, qui conseille, qui conseille, n'est-ce pas, qui, qui, conseille le producteur à pouvoir améliorer, n'est-ce pas, ces techniques agricole, c'est technique, donc euh, c'est pratique culturelle. Leur, leur présence est sentie. Voilà, voilà est vraiment sentie. Sauf que, bon, je ne peux pas, n'est-ce pas, oublier dire que le besoin n'est pas totalement couvert. On a encore besoin <laughs> Monsieur Kouy, pour conclure. Oui, bon, vous avez mis les... tous les dispositifs nécessaires pour je dirais, les euh, En tout cas, à notre niveau, euh, tout ce que nous pensons prendre comme dispositif a, été, a été pris. Mais il faudrait se dire aussi que la réussite d'une campagne peut dépendre aussi d'autres facteurs exogènes. D'autres contingences, oui. Donc, les inondations, les grosses pluies. Les inondations, les grosses pluies. Et si vous prenez par exemple les périmètres, la réussite d'une campagne peut dépendre de la réussite de la campagne de commercialisation. Et sur ce point, les, paysans ont fait quand même quelque chose, non Vous avez parlé de rendement. Quand ils produisent, il faut bien qu'il y ait un acheteur. Parce que si vous produisez, vous ne vendez pas, ça peut vous décourager dans votre action de production. Et je viens au, moment quand je démarrais cette intervention, je vous ai dit qu'une campagne est terminée, une autre est en train d'être préparée. C'est les fonds qui sont injectés dans la campagne SS qui doit être récupéré Pour et conduire la campagne SH. Alors là, s'il n'y a pas de commercialisation, voyez-vous, le recouvrement va être difficile, la vente va être difficile, alors qu'il y a les besoins d'un Sur ce point, vous avez une bonne situation, non Sur ce point, on est en train, en tout cas, on est en discussion. Le problème de la commercialisation est un problème très important qui est là sur lequel il faille vraiment faire euh, beaucoup de réflexions. Eh, c'est donc, on conclut avec vous. La campagne est bien préparée. nous, on suit de près ce qui et sont en train de faire, mais nous ne sommes pas restés aussi les, bras croisés. Mm. Nous avons aussi à notre niveau essayé de voir qu'est-ce que les structures organisées euh, des, paysans peuvent faire. Euh, dans ce sens-là, on a trois axes. Le premier axe, avant même le début, le démarrage, nous avons cherché à comprendre dans ce que nous avons aujourd'hui, le dispositif euh, initiative trois années là, qu'est-ce qu'il y a comme force et faiblesse qu'est-ce que le paysan nigérien peut tirer et, mettre en valeur par lui-même. Deuxième élément, nous avons pour mieux amener le producteur au niveau de son champ, dans sa ferme, avec ses animaux, à prendre tous ces éléments en compte, engager ce que nous avons appelé le suivi des exploitations familiales. On a mis tout un dispositif que nous sommes en train de tester dans deux régions, on l'a commencé à Tawa, on vient de lancer pour la région de Tilabiri, histoire d'amener le producteur lui-même à voir qu'est-ce qu'il a de, force, qu'est-ce qu'il a de faiblesse, qu'est-ce qu'il a d'atout pour pouvoir les mettre et les valoriser. Un, un train, Alors, vous, vous, producteurs, en conclusion, avec le soutien de l'État, vous, voulez dire que tout est mis en place Il a parlé des besoins et ils ont reconnu que c'est très loin quand même de, des besoins réels. Merci beaucoup, Donc, euh, de la plateforme paysanne pour cette participation. Merci à vous, Issa Manou de la direction générale de l'agriculture. Merci à vous, Alain Adamou Ekoy, euh, conseiller principal du directeur général de l'ONAA. Merci pour cette participation sur les préparatifs de la campagne agricole. Bonne soirée à vous.